il On tourne la page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fetna rodna watay. Wakayesi. Barkaji modon e wonta e golitane. Jama'a barkamu da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Nous sommes lundi 1er janvier 2024 et oui, bonne heureuse année à tous chers auditeurs. Bonjour et bienvenue sur le premier numéro de notre émission Le Niger sur Kalangou. Et le Niger sur Kalangou, c'est du lundi au vendredi à partir de 11h sur les ondes de nos médias partenaires. À la présentation, je suis Rekia Arimi et à mes côtés, Ali Monkela Ousseini alias Seino 50%. Bonjour Seno, comment tu vas ce matin Je vais bien, Alhamdulillah Rakia. Bonne heureuse année à toi aussi. Bonne et heureuse année à toi aussi, mes meilleurs à toi. J'espère que tu as bien fêté hier. Ah oui, jusqu'au petit matin. Super, alors nous <laughs> allons débuter cette année nouvelle avec le flash présenté par Nafissa Amadou Serfo il y aura la rubrique hebdomadaire du lundi qui est consacrée aux questions de justice puis direction Tawa pour euh, le reportage des régions où nous aurons euh, des conseils pratiques sur la protection des enfants contre le froid. Sans oublier notre page sport, la chronique Loti et la culture linguistique. Dans cette même émission, nous recevrons Imadam Barba, danseur, chorégraphe, professeur de danse traditionnelle et contemporaine. Oui, nos, échanges avec lui seront axés autour euh, de la danse contemporaine et traditionnelle au Niger, la différence entre elle et comment la danse contribue-t-elle à l'éducation artistique et culturelle des étudiants. Et c'est pas fini pour ces nouvelles ans, hein, chers auditeurs, vous aurez une très bonne dose de musique 100% Niger. Et c'est parti pour une heure d'infos et divertissement. Voici le flash d'information présenté ce matin par Nafissa de Serfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Ekia. Bonne année à toi. Merci bien et je vous souhaite également bonne année. Euh, Merci. Alors, les lampions de la 44e édition du championnat national de lutte traditionnelle Cocoa 2023 se sont éteints hier après-midi à l'arène Aboubakar d'Agadez. Isaka Isaka de Dosso est sacré roi des arènes pour la sixième fois. La finale l'a opposé à Mati de Maradi. Isaka Issa a remporté le sabre national en 2015, 2016, 2019, à 2021, 2022 et 2023. Il y a des perspectives promoteuses pour les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, selon le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Laminzen et ses homologues du Burkina Faso, du Mali, en visite à Niamey. Dans une conférence de presse conjointement animée le samedi, ils ont annoncé leur union dans un combat pour le développement socio-économique et politique de la zone du Liptako-Gourma. Les trois chefs de gouvernement ont également proposé la mise en place de commissions mixtes pour les trois pays pays afin de mener des activités autonomes communes pour parvenir à une véritable indépendance. Enfin, plus de 11 civils ont trouvé la mort dans une attaque terroriste vendredi dans deux villages du département de Bankilare selon le bulletin des opérations militaires du ministère de la Défense nationale. La même source précise que l'attaque a été menée par des assaillants venus en moto. Une opération de ratissage a été aussitôt engagée dans cette zone à la frontière burkinabé où les forces de défense et de sécurité mènent des opérations d'envergure contre les groupes armés terroristes. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafissa. Merci infiniment Nafissa et très bonne journée, Merci À vous. Nous l'annoncions tantôt, nous avons avec nous au studio Imadam Barba. Bonjour monsieur Imadam. Bonjour euh, Rakia. Et merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. oui, je rappelle que vous êtes danseur chorégraphe, prof de danse traditionnelle et contemporain, détenteur d'un master professionnel en art et culture, option inventaire et analyse des danses traditionnelles. Nous y reviendrons plus en détail. Euh, le temps de bien vous installer. Et voici la première note musicale de notre sélection d'aujourd'hui, Anawaya de l'orchestre Tal National. C'est parti. gadiro wiza dai musuru kumsari ei wato annasara igaka ei wato maksiyan igaka ei di koimo borfo gaka ei di kamo igi shakwana I'm sabay Eh oui, mesdames et messieurs, Tal National, nous sommes euh, avec monsieur Imadan qui est un professeur de danse. Alors monsieur Imadan, ce genre de musique, euh, c'est quel genre de pas de danse euh, hein, qui peut aller avec ce genre de musique Alors déjà, il faut se dire que on a cette facilité au, Niger vraiment de, de, s'adapter. Donc le pas de danse peut-être qu'il peut aller tout de suite avec ce genre de... Enfin voilà, c'est c'est la danse, euh, comment on dit ça euh, La danse Mangayzi, ça peut tout de suite aller avec. <laughs> Merci, merci. Mesdames et messieurs, Tal National, véritable joyau musical du Niger, ce groupe s'est imposé sur la scène musicale dès l'aube du nouveau millénaire en 2000. Leur discographie, tissée avec finesse, reflète l'évolution artistique du groupe. Voilà, la formation incarne la diversité culturelle du Niger. La performance live de Tal National sont réputées pour leur énergie contagieuse qui fait vivre la, les Et oui, à travers les décennies, Tal National persiste en tant qu'ambassadeur musical. Euh, propageant hein, la beauté et la complexité de la musique nigérienne à travers le monde. Voici, euh, chers auditeurs, après cette pause musicale, il est temps de nous entretenir avec notre invité du jour. Alors, euh, messieurs et madame, pour commencer, faites-nous la nuance entre la danse traditionnelle et danse contemporaine. Merci. Euh, déjà, bonne année à vous. Merci à vous <laughs> voilà. Donc, voilà, on va aller je pense que euh, la danse, ce qu'il faut retenir, par exemple, dans la danse euh, contemporaine, la danse contemporaine peut référer à une danse actuelle. Donc, euh, elle se distingue par une grande mobilité du bus, mhm. alors une fluidité dans les mouvements, une grande fluidité. Mhm. Et aussi, c'est vraiment une danse qui a, fait appel à de nombreuses techniques de travail au sol. Et quelque part, il faut noter aussi que cette danse elle se permet au fait de faire appel aux autres pratiques artistiques au sein même de d'une pièce de danse mhm. contemporaine. Alors qu'en danse, euh, euh, si vous voulez, euh, traditionnelle, mhm. la danse traditionnelle peut être comprise comme une danse populaire, régionale ou ethnique. Donc voilà, et c'est vraiment une danse aussi qui, parfois, elle fait, comment dirais-je, elle se passe d'une manière, enfin, dans un terri, comment on appelle ça, terroir qui est là. Euh, enfin, voilà. Super. Alors, euh, Monsieur Imadan, euh, est-ce que vous vous intéressez à tous les styles de danse traditionnels du Niger ou bien même celle d'ailleurs alors, euh, moi, je passe de complexe par rapport aux danses traditionnelles. Mhm. Toutes les danses traditionnelles sont les bienvenues, que ce soit la danse euh, du Niger, des danses traditionnelles du Niger ou d'ailleurs. Je n'ai vraiment pas de complexe et voilà, je suis ouvert aux, autres danses. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé euh, à aller dans ce domaine en fait Alors, déjà, et je me dis que ce qu'il faut pour un artiste, c'est vraiment euh, de pouvoir comprendre sa culture. Mhm. Euh, voilà, on peut s'identifier qu'à travers sa culture. C'est en ce sens que j'ai, voilà, j'ai préféré ou j'ai voulu euh, aller vers ces danses traditionnelles-là. Voilà. c'est madame, vous avez appris et maintenant vous apprenez aux autres. Qu'est-ce qui vous a motivé Alors, ce qui m'a motivé surtout déjà, c'est le fait que avant, je faisais euh, autre que la danse traditionnelle. Mhm. Je faisais des danses urbaines. Mais après, ce qui m'a motivé, c'est, je me dis, c'est tout à l'heure, j'ai parlé de l'identité. Je suis là en train d'apprendre la danse des autres, mais moi, ma danse, je ne la connais pas. Mhm. Donc, ce qui m'a motivé, c'est déjà apprendre ma danse. Je voulais apprendre ma danse et, ensuite la partager aux autres. Mhm. Super. Alors, euh, quels sont euh, les principaux aspects que vous enseignez aux étudiants en art et culture euh, à l'université Abdoumoun de Parce que vous êtes professeur euh, de, danse au niveau de la filière art et culture de l'université Abdoumoun de Alors, quels sont euh, les aspects culturels que vous enseignez alors déjà, partant de là, tout de suite, ce que j'enseigne, c'est les fondamentaux de la danse. Je me dis que dans, pour apprendre à, danser, à danser, il faudrait avoir des bases. Mhm. Donc c'est ces bases-là que j'enseigne tout de suite. Mhm. Alors, après ces bases-là, j'enseigne aussi de la technique africaine, c'est-à-dire de la danse. J'enseigne la danse nigérienne. Alors, je ne vous coupe pas la parole. Parmi les bases, est-ce que vous pouvez nous citer ah, euh, tout à quelques fait. bases Tout à fait. Donc, les bases, les fondamentaux que j'enseigne, c'est tout de suite le corps. Le corps. Pour danser, il faut un corps. C'est le, euh, c'est dans l'espace. Mhm. Ce qui est là, d'abord, c'est le corps. Après le corps, il y a l'espace. Donc, après l'espace, il y a vraiment euh, le temps. On danse avec un rythme. Après, il y a ce qu'on appelle l'énergie. Voilà, que tu mets dans. C'est toute cette, euh, tous ces ingrédients qui font la sauce, au fait. Si, <laughs> voilà. Ok, d'accord. Et comment intégrez-vous la dimension culturelle nigérienne euh, dans vos cours de danse contemporaine hmm, Bien. Alors, euh, il faut dire que je me sens vraiment assez libre dans mes créations de danse contemporaine. Hmm. pour partir, par exemple, d'une danse nigérienne, euh, dans, dans, dans, mes créations de danse contemporaine. Euh, tout de suite, euh, souvent, j'essaie je, juste de jouer, par exemple, je peux jouer selon le contexte, que, selon l'inspiration aussi que j'aurai à travers, dans ce, à ce moment. Mhm. Je peux partir tout simplement à travers, par exemple, une variation. Il y a la danse qui est là, la danse traditionnelle qui est là, brute. Donc, je peux partir à travers une suite à. Je peux jouer sur une variation ou un espace, mhm. ou l'espace ou tout simplement je peux jouer sur l'énergie. Voilà un peu. Alors, messieurs, avant de poursuivre notre discussion sur comment la danse contribue-t-elle à l'éducation artistique et culturelle des étudiants, je vous propose d'essouffler un peu. Bonne idée, Rakia. Et voici le titre Sweetie du groupe euh, de rap MGM Crew. Euh, alors, euh, messieurs madame, quelle danse pourrait bien aller avec ce titre Ou bien vous ne connaissez pas ce titre on va écouter, on va écouter, on va y revenir. depuis des années que je, rêve de toi Tu me donnes envie de planer, ma suite et quand je te vois Tu me fais danser, baby, quand j'entends ta voix C'est ta sœur qui était ma reine, fais de moi ton roi Dis-moi que tu fais de moi juste et tu verras ce que moi je ferai de toi Ma suite, girl, my heart flies only for you I do not see that for you, my baby says for me And I will rain for you ah, Baby girl, t'es ma et angel, let me fly with you My baby, baby ma suite sweetie My lover, lover Your beauty under my eyes Oh my lady Toi et moi c'est pour la vie La qui de donner C'est toi que j'ai choisi Your beauty into my eyes Devant Dieu moi j'ai fait le serment de t'aimer bébé pour la vie eh, Baby girl crois-moi crois-moi c'est pas pour une seule nuit eh je et oui, voilà, messieurs Imadan, vous venez bien évidemment d'écouter un peu hein, le son. Alors, euh, pouvez-vous nous dire déjà quel genre euh, de style de danse peut aller avec ce titre, euh, avec ce son alors, je reste focus sur euh, cette euh, danse traditionnelle dont je parlais. Voilà, je pense que ce qui va aller tout de suite, c'est vraiment la danse Zambouka. Je pense que. Euh, <laughs> c'est une danse du Niger C'est une danse du Niger. De une quelle danse localité de, la région de Tilaberi. Ok. Voilà, et qu'on retrouve un peu partout dans la région de Tilaberi sous d'autres noms. Ok. Voilà. Mesdames et messieurs, ça se passe comme ça en direct depuis notre studio, hein, studio Kalangu. Et vous êtes en train d'écouter le titre. Euh, suite de la formation MDM euh, Crew. Le groupe MDM Crew euh, incarne le sens même de l'authenticité artistique et de l'engagement culturel. Il s'agit de deux frères. Leurs chansons ne sont pas simplement des mélodies, mais des témoignages vivants de, de la réalité quotidienne. cela crée une connexion profonde avec les auditoires. Les frères dépeignent ici les défis, les triomphes et les aspirations du peuple nigérien. Oui, c'est nous, leur engagement envers l'authenticité musicale et leur capacité à rester fidèles à leurs racines font et euh, de, des icônes respectées de la scène musicale ni africaine. Voilà, chers auditeurs, après cette note musicale, retour au studio, nous poursuivons avec M. Euh, monsieur et madame nos échanges sur les danses traditionnelles et contemporaines. J'espère que vous avez bien kiffé cette chanson. Ah ouais, tout à fait. <laughs> voilà, je rappelle euh, que monsieur et madame Barba est prof de danse traditionnelle et contemporaine. Alors, M. Euh, monsieur madame comment la danse contribue-t-elle à l'éducation artistique et culturelle des étudiants Ok, euh, merci. Euh, déjà, il faudrait euh, se dire que c'est la danse permet de développer et renforcer vraiment les pratiques artistiques des étudiants. Parce qu'il faudrait noter aussi que ces étudiants-là, ce ne sont pas que des danseurs dans, la formation. Mhm. Souvent, tu fais face à des étudiants qui te disent qu'ils n'ont jamais fait de la danse, mhm. ils ne savent pas danser, donc euh, vraiment, c'est ça, en ce sens que à travers les ateliers, et euh, cela euh, voilà, contribue à, à leur éducation, à leur mm-hmm. voilà, à, surtout aussi à cette présence. Ça les, ça les aide dans leurs différentes pratiques artistiques à vraiment avoir une présence scénique. Voilà. Exact. Mais c'est madame, pouvez-vous partager une expérience euh, mémorable liée à votre enseignement de la danse euh, à l'université alors, euh, ce que je vais dire et qui me vient tout de suite, l'expérience que j'ai, je me rappelle très bien, un jour, j'avais donné une pause à, lors de mon cours. Alors, un étudiant que j'ai perdu de vue durant deux ans <laughs> environ est revenu et il était de passage, il me disait que c'était pour me saluer et il m'a raconté quelque chose qui lui est arrivé euh, pendant les deux ans que je l'ai perdu de vue. Mhm. Donc il me dit que bon, voilà. Et c'est grâce à vraiment mais Je ne l'ai pas appris que la danse, au fait, selon lui. Je ne l'ai pas appris que la danse, mais je l'ai appris à vivre. Je lui ai dit, mais attends, comment Il me dit, bon, c'est. Euh, à travers euh, les petits conseils que je lui glisse euh, lors de mes cours qu'il a pu sortir dans une situation vraiment délicate. J'ai dit waouh, si je peux arriver à faire un truc comme ça, vraiment, si, ça fait chaud. Énorme. Donc voilà un peu. <laughs> ok. Alors, euh, quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui aspirent à hein, poursuivre une carrière dans le domaine de la danse ou ceux-mêmes qui ne sont pas des étudiants, hein, mais qui désirent apprendre quelque part euh, déjà, il faudrait se dire, de ne pas se cacher, euh, voilà, ce n'est pas facile comme tout art. Et il y aura vraiment tellement de préjugés, de ne pas écouter les préjugés, mhm. de vraiment de travailler dur et puis de, s'ouvrir. Il, il, faudrait avoir une ouverture d'esprit et ouvrir et s'ouvrir aussi à d'autres euh, styles de danse. Il ne faut, pas faut pas rester focus. Mhm. Voilà. Et comment envisagez-vous l'évolution de la danse contemporaine et traditionnelle du Niger Hmm, d'accord. Alors euh, déjà, il faudrait se dire que ce qui est important demain, c'est vraiment d'avoir euh, des formations, mhm. de ne pas arrêter les formations, pourtant de les accentuer, de, les enseigner, d'enseigner vraiment les danses, et aussi des, et comment on dit, euh, pas seulement de les enseigner, mais de sensibiliser aussi nos jeunes danseurs à ce que qu'ils se disent qu'il n'y a pas de danse mineure. Voilà, il n'y a pas de danse mineure et puis vraiment d'aller jusqu'au bout. Merci, euh, infiniment, monsieur et madame, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir aussi répondu à toutes nos, questions. Merci Nous vous. souhaitons une excellente, journée. Et encore une fois de plus, euh, nos meilleurs voeux. Merci, merci Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Le Niger sur Kalangou se poursuit, mais cette fois-ci avec notre rubrique hebdomadaire justice, notamment sur les relations diplomatiques du Niger avec d'autres pays, comme la France. Oui, Rekia, depuis euh, le coup d'État du 26 janvier 2023, les relations entre la France et le Niger n'ont cessé euh, de se dégrader. Après le départ des troupes, maintenant, c'est son, son, ambassade qui se ferme. Mais nous attends, comment se fondent les ruptures diplomatiques Et oui, pour en savoir plus, Rekia, écoutons M. Ali Moussa, juriste au micro d'Anissé Karim. Les ruptures des relations diplomatiques supposent elles la fermeture des ambassades. On répond à l'affirmatif parce que dans les relations diplomatiques, surtout bilatérales, l'existence des représentants diplomatiques est la clé de voûte qui soutient les relations entre les pays. Donc, euh, dès qu'il y a une rupture des liens diplomatiques, conséquemment, les ambassades sont fermées. Mais cela ne suppose pas la fermeture des consulats. Donc, il faut bien noter que parce qu'il y a des ruptures diplomatiques, les consulats peuvent ne pas être fermés. Comment la France peut défendre ses intérêts au Niger Les articles 45 et 46 de la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques indiquent clairement que, en cas de fermeture d'ambassade ou en cas de rupture de ces liens là alors euh, les États peuvent se faire représenter par d'autres États tiers qui sont voisins ou qui ont une représentation diplomatique avec l'État concerné. Naturellement, dans le cas de la France, par exemple, la France peut soumettre la gestion de ses affaires de représentation et de, la diplomatie à soit l'Allemagne ou à l'Espagne ou tout autre pays de l'Europe qu'elle estime en bon terme avec elle pour pouvoir continuer à gérer toutes ces relations de représentativité ou de négociation ou tout ce qui est en lien avec les ressortissants français sur le sol nigérien. La seconde possibilité, c'est que l'ambassade accréditée dans un pays voisin du Niger, par exemple au Bénin ou au Togo, je donne des exemples pêle-mêle, peuvent avoir comme cahier de charge la gestion des affaires des ressortissants français sur le sol nigérien. C'est quoi le rôle de la diplomatie et quels sont les principes qui sous-tendent la diplomatie Le rôle de la diplomatie se résume à la représentation ou à la représentativité, à l'information et à la négociation. En ce qui concerne les principes, il y a d'abord le principe de l'universalité de la communauté des nations comme premier principe. Donc comme deuxième principe, il y a la responsabilité collective des États pour le maintien de la paix et la prévention de l'agression. Et ça, c'est départ le monde. Et enfin, en troisième lieu, la coopération internationale pour l'avancement du progrès social et économique. Le Niger doit-il aussi fermer son ambassade à Paris Je réponds à l'affirmative. Le Niger doit fermer son ambassade parce que la rupture des liens diplomatiques suppose la fermeture des ambassades, mais pas la fermeture de consulats. Donc, les relations consulaires peuvent subsister, donc les représentations diplomatiques, et notamment les ambassades qui doivent être fermées. Donc, euh, l'ambassade du Niger à Paris peut ne plus fonctionner. Voilà, c'était le juriste Ali Moussa au micro d'Anissé euh, Karim qui expliquait les rôles de la diplomatie et la rupture des liens diplomatiques. Chers auditeurs, un autre tour en musique et cette fois-ci, on vous offre l'un des titres les plus anciens du rap nigérien. Il s'agit bien du titre Fonda du groupe Waswang. C'est parti. Yes, original Waswang Roots.

dingiza, dingy dingiza. Give me thunder, my wasafa. Hey, go jump, go to Gargano, Mora, on sang, c'est fort ou pas. Les bons sont là, les bons sont là. Hey. Ensemble, je me prends la canne. Ça des was, wanga, plus de wanga, des was, nigga. C'est nigga, ça me was, c'est fort, nigga, was sang, c'est fort ou pas. J'ai choisi ma voix, against la communauté de Tari. C'est qu'ils se sont pitié, flot, mange, lac de cliché. Le songe qu'à faire de monde en empoisson dans ma société. On boy, we ready to fight. Don't lie, don't be afraid to die. I got a dream, cause I wanna fly to the sky. This world seems so hot and rain. My brother's game, rude, rude just right, simple like me, my family. from the personality way was home. I got a shame for people who check my tradition as an destruction. I follow the voice of Jimmy as a solution for them. I got a power to punish all these motherfuckers. Ebelist, or just wait my area. Don't worry, brotherhood. Seno Wasuanga est le fruit de la fusion visionnaire de Wangari et Wasika en septembre 2000 incarne l'essence vibrante du rap nigérien. Leur premier opus, Anazua, a marqué le début d'une histoire musicale transcendant les frontières. Oui, hein, la symbiose entre les deux pionniers se cristallise dans chaque rythme et rime, tissant une toile sonore riche en authenticité avec euh, une discographie aussi éloquente. Wasong se forge un héritage musical durable, laissant une euh, empreinte indéniable sur le paysage sonore mondial.

tu mais tu mais voilà. Ça te fait comprendre un hein, c'est la cible c'est toi, lui ou peut-être moi. Juste pour avoir craché, craché la vérité. Kimi Kimi Fonda. Kimi Fonda. Voilà, c'était Waswanga, euh, Kimi Fondo. Maintenant, place euh, au reportage Région à Tawa. De quoi parle-t-il aujourd'hui Eh oui, euh, Rekia, à chaque saison euh, froide, les agents de la santé ne manquent pas euh, de sensibiliser les parents sur comment protéger leurs enfants, notamment les, les voies et moyens pour prévenir les infections respiratoires. Suivez les explications de cette mère de famille habitante de l'arrondissement communal de Tawa 2 elle est interrogée par Idrissa Adamu. abin da ya shahi tattalin yara musamman a lokacin hunturun ganin sanyi a matsayin ku na iyaye ya kuke tattalin ƙananan yara? Yanzu kai yara abin tattali ne cikin sanyin ga, saboda akwai lokacin da ya kamata yara ƙanƙana jarirai ba a yi musu wanka sai zuwa wata ɗaya zuwa wata biyu ana shahe musu jiki su kuma waɗanga masu ɗan dama an ɗauki kwana biyu ba a yi musu wanka an kai musu kuma lokacin nan ba a hiddo su ga sanyi sai a ruhe sai zahin ɗaki ya ɗauke su tukuna ga kayan sanyi da fulluna da su duk sai an kula da iskan nan daga yawa. yawo yara ba a barin suna hita waje. To kamar me yasa kuke ɗauka wannan mataki ga tan da 'ya'yanku? Saboda lokacin nan na sanyi in ba a kulawa ko da wani lokaci yaro cikin mura shi. Majina tana damu shi ko da wani lokaci yana tari da sauransu har su kai da masassarin ne har ya kai da ana kama yaro asibiti. To dan shi na yasa samu ke kulawa ba a barin yara suna hitowa cikin iska. Iskan nan shi ga damuwar yara. Akwai lokuta na musamman waɗanda kuka keɓewa domin yi musu wanka. Akwai lokacin da ake hiddawa na wanka ma yara mana, saboda lokacin da ya kamata kai ma yaro wanka ka san shi. Da dare kana iya ma yaro wanka, kana yi mai ka sa mai kayan sanyi ka sa cikin ɗaki ya kwanta kenan iska bai bugun shi. Akwai lokacin da kuma kana iya yi mai da rana, rana ta hito sosai sai kai ma yaro wanka shi ma ka ɓoye shi, ka bar ya hito yana wasa. Saboda lahiyar yaronka, in yaro bai da lahiya uwa ta ba ta laya, ko da wani lokaci kana bakin likita ta kana jagalniya amma in ka kula abin zai zauwa da sauki a rika sa kayan sanyi sosai ana kulawa da kyau to idan mura ta kama yaro a gargajiyance kafin isa ta yi asibiti akwai hanyoyin da ake bi to lalle kai akwai hanyoyi da dama wani sa'i muna ba da zuma da lemun tsami wani sa'i kuma sai mu ce mu kai shi likita bibi lahiyar shi tunda wani sa'i ma ko an ba da zuman da lemun tsami ba ya yi amma likita akwai furodin da za su ba da sai ka ga yana ma hiddo ta yana amanta ina kenan ko ba daina ba da kalli yaro yana wahala cikin gida lokacin da aka gani mura ta damu yara sai a bi bulanga ko da wani lokaci kana sha ma yaro da gaba in ka sha sai ka kawo kayan sanyi ka sa mai da man shanu danyi shina amfanin yaro sosai shina hana ma yaro masassaran majina shina kama ma yaro karhin gaba na shifar tarawa Voilà, c'est nous. J'espère que ce message euh, sur des enfants contre le froid a bien passé et les moments et les mamans les respecteront. Espérons, Rakia. <laughs> Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et tout de suite, la page sport avec Hassemi Gourouza. Bonjour Hassemi. Bonjour Rakia, bonjour Sinou. Bonjour, j'espère que vous êtes euh, en forme là. <laughs> En forme ah et en formation aussi. Ah, mais merci beaucoup. Alors, euh, on, te souhaite euh, bonne heureuse année. Hein. Effectivement, et à tous nos auditeurs également. Hein. J'espère que vous avez à tous bien, nos auditeurs également. À tous nos auditeurs également. Oui. Alors, Gourouza, quelles sont les nouvelles fin de la quarantaine quatrième édition du sabre national à Agadez, un trophée le plus de plus dans la collection du champion Isaka Isaka. Oui, il faut noter que c'est la fin de la quatrième e émission du sabre national à Agadez. Un trophée de plus dans la collection, oui, du championnat. Oui, Kadri Abdou Isaka Isaka est le roi des arènes pour la sixième fois. Le lutteur de Dosso, l'enfant prodigue du dandy, entre euh, définitivement euh, dans la légende de la lutte traditionnelle au Niger. Il a donc remporté la finale devant Matisse Souley de Maradi. La troisième et quatrième place revient à Noura Hassan de Tawa et Abba Ibrahim Dunyami. Yusuf Kodo, spécialiste des sports, nous fait une analyse finale du championnat. Il est au micro de notre envoyé spécial Salamatou Kadri. Pendant 10 jours, 88 heures se sont illustrés Dans un premier temps, la première phase dite les préliminaires, où chaque lutteur a eu l'occasion de faire 7 combats. C'est assez déterminant pour voir la fraîcheur physique, la technique employée des uns et des autres, de faire une sorte de fiche technique individuelle de ces lutteurs. On a vu l'émergence à plus de 65%, voire 70% des jeunes lutteurs qui sont entre leur première, deuxième, troisième ou quatrième participation. Ce qui veut dire, ce regroupement-là, ce sont des novices. Parce qu'à lutte, il faut faire un certain nombre d'années, voire dix ans, pour être mature. Donc, euh, il y a eu l'émergence, en tout cas, dans trois à quatre régions. Je peux citer, Papa par Maradi, Zander, surtout Tilaberi, qui a émerveillé les jeunes sur le plan individuel que collectif. Pour la première fois, Tilaberi, au cours des trois premières journées, Tilaberi était en tête collectif et aussi en individuel parce qu'ils avaient jusqu'à la troisième journée six lutteurs invaincus et étaient à la tête. Et tous ces lutteurs-là, ce sont des jeunes lutteurs et dont le, le plus jeune même, à 20 ans, dans le culte de Tilaveri. Maintenant, la deuxième génération, ceux qui ont commencé depuis 2012, donc il y a 10 ans et 11 ans, comme Isaka Isaka, puisque Isaka Isaka a commencé la lutte à partir de Maradi en 2012. Il est à sa 11e édition, vous voyez, et il a montré au fur et à mesure, il a montré en tout cas des, techniques. Et lui, il, est resté constant dans l'évolution et dans la forme de module de chute qu'il nous montre. L'un de l'autre, moi, à mon humble avis, c'est une satisfaction. Et pour la finale de ce soir Pour la finale de, ce soir, honnêtement, plus on avance, plus l'intéressé qui est autre que Isaac, qui vient en tout cas de faire le sacre. Hein, six sabres du jamais vu et qui plus est encore trois victoires consécutives. C'est la première fois. Il a égalé maintenant le palmarès d'un certain Bremasi Alassane qui a fait six finales. C'est le deuxième lutteur à avoir fait six finales. Sauf que la particularité de Isaka Isaka, il n'a jamais raté une finale. C'est sa sixième finale et c'est sa sixième victoire. Voilà, vous avez écouté le spécialiste en sport, euh, Issoufou Kodo, micro de Salamatou Kadri. Notons, et Rekia, et Sinon, oui. notons que la prochaine édition de la lutte traditionnelle, la 45e édition, aura lieu à Dosso, la capitale de Jamako. Ah. ah mais <laughs> écoute, c'est <laughs> chez nous. Allez, bonne fête à tout le monde. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment, Guruza pour euh, toutes ces merci, informations sportives. Il est temps, il est l'heure. On tourne la page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah, fête na rodna est si? Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Rakia, dans le portrait de ce jour, nous allons à la rencontre euh, d'Abdelaziz euh, Magawata, un jeune artiste peintre. Âgé de 35 ans, Abdulaziz Magawata est un jeune artiste peintre, comme tu l'as dit, Seino, du département de Burninkoni. Il exerce ce métier depuis plus de 17 ans. Passionné d'art, il s'est initié pendant qu'il était encore à l'école primaire. Asmana Moussa Arzuka s'est entretenu avec lui. Voici son portrait. Eh, wannan aiki hannu dai abin da zan ci maka na farko domin in kare mutunci na ne in ga na kama ma kaina kuma har na kama ma wayansu ma shi yasa na wannan aiki koyan shi kai ga wani koko dai kai ne ka shiga kwatsam ciki wannan to sai in ci maka kaman aiki wanga wanda ka iska yana yi aiki ne wanda lalle da farko ban koya da kowa ba abu ne wanda kama na sawa kai kuma mutum bai cewa kaman ya yi ma kan shi haka nan sai da ya gani ne lalle haka nan ne na ga ana yi ne na sa kaina cikin wasa wargi dai irin haka dai sannu sannu tunda sai in ce maka tun shiga ta lakol ina cikin primer ina zane zane kaman tun primer ina yawan yin design design kowane irin kala kake so ina iya maka ina ganin ma daga college in sai a zo nan primer a kamin dan dan yi design game da harkoki na design na ecole kaga wannan abu ne wanda har na girma cikin ina yawan yin design kin har inda na kai na ga ana yanke yanken takarda a ce an buga fentir da sauran sauransu tunda ni farko ina sa kular da crayon ne yanzu kuma sai na fara yi da pencil kaga kenan ko inda abu ya fara girma shi kuma dole sai ka ta ka shiga cikin waɗanda kaga suna nan dan ka samu menene sirri kamar irin wannan formation kin na kamar wanda naga kamar gwani ne wanda ya hakan ga kaga sai in kai kai na gare shi dan zauna tare da shi dai mishi bauta irin da kamata dan nima in samu abin da kamata in samu a ƙarshen shi alal misali shekaru nawa kana gudanar da wannan aiki to sai in ce maka dai ni a yayin da na maida shi sana'a sai in ce maka akalla yanzu ana kai shekara goma sha bakwai inda mai da shi dai a sana'a da sunan sana'a da mi da mi kake yi cikin wannan sana'a cikin wannan sana'a abin da ya shahi wani rubutu akan wani abu akan ko ne ka zo ka ce in maka rubutu akan shi ina maka tunda kaga ko gidaje yana ma fencir ba wai sai na yi zane ba kamar irin ga fencir na na gida to kaga eh, sai in ce maka ina yin shi na gida ina yin plak tun daga na yan kasuwa abin da kai da hanna proje da wasu ma'aikatan ne da haka hakan in dai plaque pano publicitaire ne tun daga dan karamin shi abin da kai babban shi ina yin shi da sannan mutane shi wannan anan ma akwai shahara a cikin shi tawa nan wannan kamar abu ne wanda shi ne daga farkon ma nake yawan yi kamar in zana huskan mutum da sauransu to yanzu da hake kuma harka ta pano pano in kamar tana son ta rinjaya da shi ka san hoto na mutum ba koyo shi ne mutum yake zawa ya ce ai mishi ba sai kamar irin wani mutumin ka yayi maka wasu abubuwa nan da sauransu da wanda kake ji da rayuwarka ka zo ka ce a maka shi shi kuma ga in ka diba yawan pano shi kuma kullun ne muna cikin yin su bayan shi akwai bandero banderol kaga muna yin banderol duka dai ga calligraphy babu inda ma ne za maka rubutu buhuhuwa ga su ana kamin in musu zane wane ci gaba ka samu game da wannan sana'a ci gaba ka gare yanzu a kalla in ka kalla irin shekarun da a gare ni tun kamin na ya aure nake ci a ciki ba ni da wata sana'a wadda ba gaba da ba wanga aiki ba ba ni da wata sana'a gefe ga yadda ka iske ni haka to duka cikin wanga sana'a cikin ne yi shi tun daga cima tun kamin na ya aure duk abin da ga na sai makaina a cikin wanga sana'a na sai shi to ga yadda wadda za neman mata matasa shine yayin da dukkan iske kanka gobe wadda Allah maka ba na cewa lalle eh, matasa ko waɗanda ba su da aiki sai sun dawo a cikin nawa aiki amma mu tsaya mutum ya tsaya ya yi makan shi ya kalli kanshi duk inda mutum yake akwai bawar da Allah mishi yo a wurin da kake ko baka da sana'a yau in kaga shara ta yawa kamar da kanka mai share share ai ci gaba ne gare ka tunda yau zuwa gaba in an kaga ka shahara a wajen sharan ma kai da kanka sai koma gehe ka zauna Allah ma yara ma za su dinga zawa wajen ka suna tambaya ka wane ina za na samu aiki ko kuma me za ka bani yanzu in yi maka a ah, je wuri kaza kai aiki kaza ka gani kinan ko sai in ce maka ni ba a saman sana'ata ba kadai zan ce maka shine ni shawar da nake ba wanda duk ya ji kamar baya da aiki to ya natsu da kyau wurin da yake din nan akwai baiwar da Allah ya masa Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le portrait d'Abdulaziz Magawata, un jeune artiste peintre. À présent, euh, bouclons notre playlist avec le titre Lago et Zo du groupe Onens. Say on ends. So easy. Lago is over, Orlando. Roxy Brothers So, so boss music. An then cling down. Now they love and they And then cling down, the lago. Escone prepo, well, I know. pour elle anneau. T'as déjà validé la goézo, la goézo pour l'anneau. Elle est calée dans la démarche, aucun sympathique quand elle marche. Le modèle est top pour tes visages, a de la soif pour tes images. Tous ces caprices, moi j'ai payé cash. Des gains pour la go, on dirait glace. Deux cartages, moi je m'y attache. Gros fond, fond sans aucun gage, ça sent le love. Maxime, toi, baby. Mais mes délires ne vont pas jusqu'à la gare noir Abdoulaye. Sans le vouloir, je deviens la star. Je deviens la star. Quand bien même je sais que je suis fan de toi. Magali Wara. Mais il me suffit de voir une autre. En un clin on veut la go. Est-ce qu'on est prêt pour El Ano? T'as déjà validé la goézo. Est-ce que t'es prêt pour El Ano? En un clin on veut la go. Est-ce qu'on est prêt pour El Ano? cerveau me vas-y, vas-y, vas-y. Oh, vu qu'elle est sexy, elle est jolie. Au rendez-vous, il y aura beaucoup de folie. Je me pose mille et une questions. Est-ce de l'amour ou une passion? Je sens mon cœur s'emballer pour elle. Comme quoi est-ce que je reçois un cadeau de Noël Ça le long Mais mes délires ne vont pas jusqu'à la gare. Sans le vouloir, je deviens la star. Quand bien même je sais que je suis fan de toi. Mais il me suffit de voir une autre. En un on veut la go. Est-ce qu'on est prêt pour elle nous T'as déjà validé la goézo. Est-ce que t'es prêt pour elle à En un on veut la go. Est-ce qu'on est prêt pour elle nous Eh oui, euh, la goézo, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que ça, veut dire, cela signifie tout simplement la go est belle. C'est titre est chanté par le groupe euh, Onens, qui veut dire on est ensemble. Ce groupe est originaire du Niger et basé à Niamey. Le duo Onens captive les auditeurs avec une fusion envoûtante de RB et d'afrobeat. Lagoezo, voilà. C'est pour euh, Onens. Dans la rubrique Loti d'aujourd'hui, nous parlons de, de la dépigmentation. C'est non. tout Exactement. Le Loti nous édifie aujourd'hui sur euh, des astuces qui permettent voilà, aux femmes d'avoir euh, un très bon teint avec une peau éclatante sans utiliser les produits cosmétiques éclaircissants. Les détails avec euh, Hawa Ousmane et Rabia Meikano. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. ake ganin ki kin yi zugub shi ne lahiya hmm. ke dai kawalin wai tunani ne kawai nake yi ya zan yi in gyara hatar jikina ta yi haske ta yi simul ne ma in rinka sheki ba tare da na sha wannan mayukan masu bata jiki ba hmm. ha ba kawali wannan abu mai sauki ne biyo ni ki sha labari ha ba ni kai na san da walakin goro cikin miya yadda nake ganin jikin nan naki simul huskar nan taki ta yi fes na san akwai goma karkashin ƙargo ba ni in sha <laughs> ai batun sayan mai mai canza fata <laughs> ya ƙaura ba sai kin ɓata kuɗin ki ba wajen sayan wannan mayukan masu ɓata jiki ba mhm. <laughs> na ce miki wannan lemun tsamin kaɗai in kika same shi da zumuwa kina murje huskarki kiga huskarki za ta yi sulbi da rinka sheƙi ko kuma ki samu manja da magina ki haɗa su a wuri ɗaya kina shafa ma jikinki kina surace fatar ki zata haske he kin yi mamaki dan Allah kawale ai ba shi shikenan ba ko kin dirmin wannan kika samu kika zuba sha auduga kina shafa ma fuskar ki ko kuma ki haɗa sukari da man kaɗe ko da man hilba ki murshe jikinki mamakin naki sai yayi yawa kawalin ga miki a wannan ranar sai mai gida ya baki wuta ha ba kawale da ku ke ma kin ci tukunci ina jiran na <laughs> kake wance da ni kake bance da ni kake damu <laughs> to na shi <laughs> matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Voilà, c'est euh, le loti du desk femme du studio Kalangu. Chères auditrices, j'espère que vous avez bien noté les astuces, les astuces qui nous permettront d'avoir un très bon teint avec une peau éclatante, sans utiliser les produits cosmétiques éclaircissants. C'est nous Oui. What are we going to do now? <laughs> we move on to linguistic culture. Eh bien, chers auditeurs, vous l'avez compris, nous allons à présent passer à la culture linguistique avec euh, Jackie Dalton. Le mot du jour est welcome. Hello and welcome. Welcome, c'est le mot anglais d'aujourd'hui. Il y a deux façons d'utiliser le mot welcome en anglais et elles peuvent être légèrement différentes. Alors la première façon, c'est pour saluer quelqu'un et de l'inviter à un endroit ou à un événement. C'est comme le mot bienvenue ou même bonne arrivée en français. Par exemple, si un ami arrive chez vous pour une fête, vous pouvez le dire welcome pour l'accueillir. Welcome to my home. Bienvenue chez moi. Welcome to the program. Bienvenue à l'émission. She is welcome. Elle est bienvenue. He is welcome. Il est bienvenu. La deuxième utilisation du mot welcome, c'est lorsque quelqu'un vous dit thank you, c'est-à-dire merci, et que vous répondez you are welcome. C'est une façon de reconnaître la gratitude de quelqu'un et de montrer que vous êtes heureux de l'aider. C'est comme le mot de rien en français. Par exemple, si vous prêtez un stylo à quelqu'un et qu'il vous dit Thank you, merci, vous pouvez répondre en disant You're welcome, de rien. You're welcome. Allez, un petit test pour voir si vous avez retenu tout ça. Donc, si quelqu'un arrive chez vous, comment dire bienvenue chez moi Welcome to my home. Comment dire elle est bienvenue. She is welcome. Comment dire il est bienvenu? He is welcome. Et si vous prêtez un stylo à quelqu'un et qui vous dit merci en anglais, comment il dirait merci en anglais Thank you. Et vous Vous répondez de rien Comment dire de rien en anglais You're welcome. You're welcome. En résumé, welcome peut être utilisé pour dire bienvenue ou de rien. Welcome. That was today's English word. Thank you for listening. Thank you, Jackie Dalton. Chers auditeurs, welcome in Year. Alors, si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, en Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64. Votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. C'est Ibrahim Idrissa, président du conseil régional de la jeunesse d'Agadez. C'est un programme qui est intéressant et que vraiment ça avantage euh, vu les sujets que vous abordez. Donc, qui sont vraiment des sujets qu'on ne trouve pas dans d'autres radios. Partez en contact euh, avec la population et les couches sociales et vous remontez donc des informations. Vous faites passer des débats qui sont vraiment, à mon avis, qui éveillent la conscience des gens. J'ai formé le des nouvelles ans à toute euh, la population et j'ai pris que cette année soit vraiment une année de, de libération pour notre pays. Et que donc j'appelle la jeunesse au travail rien que le travail. C'est de cette façon-là que notre révolution va passer et que euh, la raison nous sera. Donc euh, il faut que sur tous les fronts, euh, on a parlé de l'exploitation agricole, donc la terre. Il faut retourner sur la terre pour produire ce que nous allons euh, manger, pour que le pays ne soit plus euh, dépendant des autres importations, surtout en produits alimentaires. Donc au studio Kalangou, je souhaite, je ne sais pas si le programme le permet d'avoir d'élargir votre intervention au niveau de la région, vu donc la pertinence des sujets que vous abordez. na bisa takarda eh, suna na umar hussein shirye-shirye studio kalango yana yi gaskiya muna sauraron shi kware muke sauraron shi muna ba da goyon baya eh, bis dari bis dari. ya halshe biyar ai a kokarin kari a kara ma wani ka halshe guda ma ya zama halshe shida samu na kanuri ga yanzu babu kanuri cika muna da yawa akwai kanuri na da yawa da suna sauraren shi wallahi fatan da muka musu Allah ka mu zaman lafiya cikin kasar mu da kwanciyar hankali Allah ya taimaka mu wanga shugabin nan namu abun da suka doko na alferi Allah ubangiji ya sa su ci gaba da shi insha Allah ko ne yake gaida ko abokaina na maradi da na na agadas da na yame duka ina da abokai ta ko ina duk yan fuwar wanda a cikin Nijar yan fuwar duka yana gaida su Ivoirian ne yana gaida su da yawa da an ce Ivoirian sun sani duk wani dan fuwar wanda yake cikin Nijar yana gaida shi eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu yan studio Kalangu da fatan ana cikin ƙoshin lafiya na Samin mai kabu kawo bakin likita nan duci ina jin daɗin shirye-shiryen abubuwan da yan studio Kalangu suke yi da swahiya da maraice sannan ba zan manta da yan kawo kawo ba na bakin likita da kyan adaidaita na bakin likita da masu shagunan da bakin likita har da uwa uba mai farkin ga inda bakin likita da masu farmasin da bakin likita har da da a cikin likita gaskiya mu jin daɗin shirye-shiryen da ake nan gayi studio kalangu Allah ubangiji sa wannan shirin ya dore har illa ma sha Allah Allah ya sa kuma su ƙara kawo mana ci gaba a cikin shirye-shiryen da suke yi don saboda duk wanda ke sauraron studio kalangu duk da an kai sai ya karu da wani abu. Sunana Muhammadu Alasan ina da lakarin suna a Roma Bidiyo. Studio Kalangu, alhamdulillah gaskiya mukan saurare eh, shirye-shiryen su gaskiya muna jin daɗin wannan shirye-shiryen kin. Ballantana bisa ga irin labarun da suka kawa da kuma hal suka hal shekara kala wanda duk kowa kaga in hausa kake ji ka ji a horar shekara ji akwai hillanci akwai buzanci akwai zarwanci kaga kusan alhalshin duka na ƙasa kowanne na irin irin yadda aiki nasu yake tafiya gaskiya kuma muna sa muna karuwa da wannan ayyuka nasu da suke tafiya ake yi fatan da nake na wannan sabo shekara da ta kama ubangiji Allah taimaka musu su ci gaba da wannan aikin kenan wani labarin ma baka ji shi ba sai ga daga ba an ka samu labarin ga mutane ka sai ka ji shi kalangu ya kawo maka shi akai wata jita jita ma Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Il est temps. Il est l'heure. On tourne la page. Pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Kukayesi. Barkaji modon e wonta golitane. Jama'a barkamu da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Voilà, chers auditeurs, nous avons adoré passer ce moment en votre compagnie, espérant que vous avez également apprécié. Oui, cette émission sera rediffusée sur euh, nos médias partenaires à partir de 17h vous retrouvez euh, là tout simplement à l'heure sur euh, le www.studiocalangou.org. Vous étiez en compagnie de moi-même Rakia Arimi et Ali Moukaila Ousseini alias Seino. À la technique, euh, Issa Lawali et Rahila Soumana, la grande dame, était tout simplement à l'édition. N'oubliez pas de suivre le journal en français à 18h avec Nafissa Amadou Serfo. Nous souhaitons, nous vous souhaitons une bonne année 2024. Mais avant, on vous laisse en, en bonne compagnie avec le titre Weiborodangi du collectif Soniger. 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Kukaye Barka Barkaji modon e wonta golitane. Jama'a barkamu da shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.